forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. 18h passé de 15 minutes à Niamey, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit eh, des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'assassinat lundi eh, du chef par intérim du groupement Touareg Dinates dans la région de Tilaberi, mais aussi l'insécurité grandissante dans la ville de Niamey ces dernières semaine. L'actualité, c'est aussi la fin des examens scolaires au Niger avec notamment la proclamation des résultats du brevet d'études euh, du premier cycle BEPC. Sur le continent, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019 qui prend fin avec euh, le derby Lyon de la Teranga du Sénégal au Fennec d'Algérie. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Haji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Alhaji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous euh, dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi. Almou Bachar Alamdiri, euh, le chef euh, du groupement Touareg par intérim d'Inates, a été tué lundi 15 juillet par des individus armés non identifiés. Hassan Boukar, avez-vous des, éléments d'analyse sur les causes de l'assassinat du chef du groupement Touareg par intérim d'Inates euh, bonsoir, euh, bonsoir aux auditeurs. Oui, c'est finalement cette euh, triste nouvelle euh, qui marque aussi l'actualité cette semaine. triste nouvelle qui prolonge une autre, puisque je pense que le chef qui a été assassiné, il a été assassiné, il a été installé à la suite d'un autre qui lui aussi a été assassiné. Et du coup, ça fait une série de meurtres euh, là, dans cette zone de Inates, qui est finalement une des communes les plus meurtries euh, de ce conflit euh, que l'on connaît sur cette région frontalière entre le Mali et le Niger. Ben, on s'est dit que ce sont toujours les mêmes, les mêmes groupes terroristes qui interviennent. la question qui se pose, c'est pourquoi le, le chef alors, ça rappelle quelque peu ce qui se passe dans la région de Difa, où un moment des chefs étaient pris pour cible euh, par Boko Haram. Je pense qu'un des derniers, c'est celui qui a été assassiné à Tam, à l'est de Ménesoroa. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, on considère que ces autorités coutumières collaborent avec l'armée euh, On a eu l'occasion, je crois, de discuter dans ce studio euh, du fait que les chefs, euh, en tant qu'autorité coutumière, étaient pris entre deux feux. L'armée qui les accuse de ne pas collaborer suffisamment et les groupes terroristes qui considèrent que c'est des gens qui collaborent euh, avec, avec l'armée, qui les dénoncent auprès de, l'armée. Mais ce serait bien aujourd'hui qu'il y ait une enquête approfondie pour comprendre pourquoi précisément ce sont ces chefs-là qui sont, qui sont ciblés. Je cru comprendre qu'en territoire malien aussi, il y a d'autres responsables qui ont été tués justement au moment où celui de Inates a été assassiné. Du coup, je pense que c'est bien de comprendre aujourd'hui pourquoi ces personnalités locales sont, sont ciblées. En tout cas, euh, on voit toujours euh, ces groupes terroristes euh, qui interviennent dans cette zone. Mais je pense que ce serait bien aujourd'hui pour le Niger de comprendre pourquoi ces chefs la question que je me pose, est-ce qu'il y aura finalement des candidats à, occuper ce, poste à Inates, puisque euh, les chefs sont toujours proies à ces groupes terroristes. Euh, mais au-delà des chefs, ça montre aujourd'hui que dans cette commune de, Inates, finalement, c'est comme si euh, on a un peu perdu le contrôle, puisque ces groupes, on les a déjà accusés de prélever des taxes sur les populations, sur le marché, etc. Aujourd'hui, ça veut dire que vous ne pouvez être chef qu'avec euh, euh, leur, volonté. Donc, si ils ne veulent pas, ils peuvent euh, défaire des chefs. Alors, ça pose véritablement des questions très profondes pour moi, sur lesquelles il faut pouvoir apporter des réponses. Sinon, il n'y a plus de sécurité dans cette zone. On connaît déjà hein, toutes les l'atrocité euh, qui ont été commises contre les populations. Alors aujourd'hui, ça montre que c'est quelque chose qui se poursuit sans qu'on arrive à arrêter cette série de drames. Voilà ce que je peux dire. À l'âge, Mohamed Souleiman, le défunt Alam Gadi euh, a remplacé Rissa Ag Amdak, lui-même assassiné dans la nuit du 26 au 27 avril 2019. Pourquoi la récurrence d'assassinats des chefs koutimi surtout à Inates ben, Il faut d'abord euh, déplorer cette situation parce que je pense que ça interpelle euh, tout le monde euh, et en termes de, communication, en assassinant donc, ces chefs, c'est la voie la plus, je veux dire, audible pour que leur forfaiture justement puisse avoir un écho. Euh, j'ai lu un élément euh, de RFI citant le haut commissaire à l'assassinat de la paix, euh, le général Abou Tarka, sur peut-être des velléités de ces terroristes d'assassiner des chefs d'une certaine communauté. Ils ont cité quelques cas. Déjà, je crois, en plus de quatre chefs de la communauté Touareg. Euh, ben, au-delà de ce, cet aspect, je pense qu'il faut euh, se dire euh, euh, la situation est extrêmement grave et moi je m'inquiète surtout quand je vois vraiment notre territoire parce qu'en en fait la complexité de la situation, c'est on a un territoire vraiment très vaste. Et comme nous l'avons toujours dit, c'est que la, le mode opérateur de tourisme, vraiment, euh, et c'est vraiment d'agir par la, par la surprise. Mais au niveau de Inates, euh, c'est quand même pour la deuxième fois, je pense que véritablement, il va falloir. Euh, ici, c'est clairement donc, connu. Non seulement il l'a rappelé, Hassan l'a rappelé, <coughs> les exactions, en tout cas, le fait d'instaurer une sorte donc, de dîme, d'impôt. Donc, je pense qu'ici, le bandisme est caractérisé donc, dans la localité il va falloir que véritablement, les, en tout cas les autorités, donc euh, franchement, créer une condition de surveillance, en tout cas de contrôle vraiment permanent un cadre permanent, en tout cas, pour que ça puisse plus se, se, répéter. Autrement, euh, notre, euh, je veux dire, euh, façon de, considérer que le territoire, en tout cas, est sécurisé, ici, j'imagine quel doit être l'état d'esprit des jeunes d'Inates par rapport à cela. Donc, bref, euh, je pense que euh, il faut comprendre que la situation de la, en tout cas, guerre asymétrique, c'est un peu cela malheureusement. Ces gens vont toujours surprendre les gens, euh, tuer les gens. Et la, la rapide fait à fois. Il essaie de faire des cibles, non seulement en endeuillées, donc en fait, je veux dire que euh, mais aussi passer leur, leur, communication. Parce que simplement, ici, et, euh, euh, ici comme ailleurs, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a lieu vraiment de, de, de, de s'inquiéter face à la fragilité de, nos États. si malgré tout, aujourd'hui, quand on, essaie de voir dans la sous-région, le semble être un, bon élève, mais franchement parlant, avec ce qui est en train de se passer, Oh, on ne peut que s'inquiéter parce que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Lorsqu'on vient, imaginer en termes de, de, de, langage, comment la population décode le, le langage. Quand on vient tuer le chef euh, d'une communauté, une fois, deux fois, franchement, euh, je pense que, comme il l'a dit, ces populations risquent effectivement d'être manipulées de gré ou de force euh, par les terroristes. Parce que, bon, maintenant, pour être chef, il faut soit avoir la caution de ces touristes, ou bien euh, personne ne sera candidat. Donc, euh, bref, euh, moi, de mon point de vue, il va falloir vraiment, en tout cas, que cette, une telle situation ne soit en tout cas plus une pour assurer la population, en tout cas. Parce que autrement, je suis en train de me dire que, est-ce que les gens ne risquent pas de déserter en fait cette localité Je ne sais pas. C'est vrai, les gens sont attachés à leur terre, mais quand ça arrive à ce point, franchement, tout est possible. Ici, à Niamey, ces derniers jours, plusieurs agressions, vols et enlèvements ont été constatés dans différents quartiers. Le gouverneur de la région de Niamey, Issaka Hassan Karanta, explique. Le Conseil régional de sécurité a déjà établi toutes les zones criminogènes de la ville, c'est-à-dire partout où le banditisme sévit. Et des opérations coup de poing sont en train d'être menées de jour comme de nuit. Des gens sont interpellés, ceux auxquels on ne reproche rien, sont libérés. Les gens sur lesquels pèsent des soupçons sont directement orientés vers le procureur de la République. Déjà, un certain nombre de malfrats sont sous une coupe réglée, d'autres sont en cabale. Toujours est-il que l'enquête suit son cours. Je ne ferai allusion à aucun cas spécifique pour permettre à l'enquête d'avancer normalement. Le moment venu, une large communication sera faite à l'endroit de la population. Mais pour l'instant, des opérations sont en train d'être menées pour ratisser tous les quartiers. Et c'est pour cela que je demande aux gens d'être sereins, mais seulement que les gens évitent certaines zones à certaines heures. Je voudrais, par exemple, la ceinture verte. J'informe nos auditeurs que notre troisième invité, Rufai Dandoua, vient de nous rejoindre dans ce studio. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Rufai Dandoua, selon le gouverneur de la région de Niamey, des opérations de ratissage sont toujours en cours euh, dans les quartiers les plus touchés par l'insécurité. Comment expliquer ce regain d'insécurité à Niamey, considéré comme une capitale, euh, comme une capitale paisible en Afrique euh, paisible en Afrique ou euh, dans la sous-région oui, l'une des capitales euh, le, oui, oui, Peut-être, c'est dû au fait que eh, même de tradition, on n'est pas un peuple, un peuple méchant, un peuple qui a l'habitude de, d'aller dans, ce genre de situation. Aujourd'hui, on parle des attaques parce que nous sommes entourés eh, des capitales ou des pays qui sont dans, dans une insécurité, eh, pour certains, eh, chronique, si on peut le dire, mais pour revenir un peu sur euh, le sujet que, que, que, vous aviez débattu sur, euh, sur je pense que ces, ces terroristes sont en train de s'aimer ce qu'ils voulaient, la, la psychose. Aujourd'hui, on va avoir des difficultés à avoir euh, des candidats pour être chef, puisque eh, les candidats sont entre le marteau et l'enclume. Soit il faut, et, eh, toi tu coopères avec les militaires ou les forces de défense et de sécurité du Niger, et là les terroristes tu seras la cible terroriste ou tu ne coopères pas avec les FDS, on va dire que tu es de mèche avec euh, euh, les terroristes. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour être chef à Inates, il faut avoir les, les, reins solides, comme on dit, et ça va être extrêmement difficile d'avoir des candidats pour euh, occuper, occuper ce poste. Donc, euh, je pense que euh, les mesures qu'il faut prendre doivent être extrêmement drastiques parce qu'on ne peut pas toujours suivre celui qui va être chef jusque chez lui ou bien partout où il va se déplacer, ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut vraiment explorer des pistes. La, dernière fois, je crois, ou la semaine passée on avait parlé de, de techniques, de méthodes de, de guerre ou de guérilla qu'il faut avoir avec nos stratèges pour pouvoir éradiquer ce genre de problème. Mais on a comme l'impression que chaque jour que Dieu fait ces, choses-là ne font que s'empirer. Maintenant, pour revenir à la, situation, de à la de, je pense que ça, c'est le propre de toutes les, les, grandes capitales du monde. Dans toutes les capitales, il y a ce genre de choses. Mais euh, le mieux ici, c'est de coopérer avec les autorités. Lorsqu'elles disent, lorsque par exemple le gouverneur dit de ne pas aller à une certaine heure euh, euh, vers des quartiers comme la ceinture verte, malheureusement, tu n'as pas besoin d'aller à 1h du matin ou à 2h pour, être, pour être victime de, de ce genre de, de, choses. Tu, comment ça s'appelle à, même à midi, à 13h, on peut attaquer les gens. Et, et pire encore, moi, j'ai une petite anecdote. La dernière fois, je, connais quelqu'un qui, qui a été arrêté par euh, les policiers qui étaient, je ne sais pas s'ils étaient en, fraction là-bas ou en fraction là-bas ou quelque chose. Mais on a, on a pris ces, papiers. Lorsqu'on a pris ces papiers, on était parti et, euh, demander là où on a amené les papiers, mais les, les responsables avaient dit, mais pourquoi ils étaient là-bas Alors là, vous vous rendez compte Donc on ne sait pas. Et ces gens-là partent d'eux-mêmes ou bien ont été envoyés l'un dans l'autre il y avait une sorte de, une sorte de cacophonie et le monsieur eh, a vu ses papiers. on, eh, comment, dire On avait repris ses papiers alors que les forces les FDS n'étaient pas censées être sur place. Donc, vous voyez, eh, il faut, il faut qu'on coordonne, je pense, euh, et ce genre de, patrouille pour que les responsables même qui envoient ces gens pour faire les patrouilles sachent à quel moment ils ont envoyé et quelle équipe ou ou quel autre est sur place. Donc, je pense que lorsqu'il y a ce genre de, cacophonie, c'est une voix qu'on donne aux malfrats pour attaquer les gens. Et c'est pour cela que dans ce genre de situation, et les citoyens et les autorités doivent travailler main dans la main de concert pour que tout ce qui arrive, tout ce qu'on a l'habitude de voir, parce que aujourd'hui, on est tellement en insécurité que les gens, quand ils sortent même de chez eux, ils se disent que quelque chose peut, leur arriver. La dernière fois, c'est ici, juste à côté de, comment ça s'appelle le quartier, centre aéré, qu'un monsieur a été arrêté, on a, pris son, véhicule. Une fois, c'est un opérateur économique qui a été tué devant, devant sa porte ou, ou, je sais pas. Donc, vous voyez, on est tellement il y a tellement la psychose que les gens ne se sentent plus en sécurité, même devant leur maison, et on ne peut pas empêcher aux gens de sortir de leur maison. On ne peut pas empêcher aux gens de vaquer à leurs occupations. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'asseoir une sorte de, de stratégie pour apaiser et eh, la ville pour permettre aux, habitants de vaquer à, leurs occupations et pour qu'ils se disent à leur fond intérieur qu'en sortant, je vais sortir en sécurité, rentrer chez moi en paix. Hassan Boukar, votre commentaire après avoir écouté le gouverneur de la région de Niamey oui, euh, je pense que euh, ce qu'il dit, c'est surtout le, ce, regain de, violence dans la ville. Sinon, comme Rafaël a dit, euh, il y a un type de, sécurité qu'on retrouve dans la plupart des, des, grandes villes. On le trouve ailleurs aussi. Alors, le fait qu'il y ait ce regain, il faut pouvoir l'expliquer. Est-ce que, parce que si j'ai bien compris, la plupart de ces attaques sont des attaques à main armée. Euh, quand vous êtes entouré par des foyers de conflit, il y a peut-être une circulation facile des armes qui font que les malfrats qui peuvent vous attaquer euh, à l'arme blanche ont désormais euh, une arme à feu avec eux. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des attaques sont des attaques à main armée et c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Moi, je comprends bien le gouverneur quand il dit qu'il ne faut pas aller à certains, à certains endroits. Mais il faut, bien soigner la communication. Les, Européens ont réussi à dire que dans nos pays, il y a des zones rouges, des zones oranges, etc. etc. Alors là, c'est comme si dans une même ville, on va dans des zones rouges, des zones oranges, etc. Je pense qu'en même temps qu'on prévient les gens sur le fait que dans certaines zones, on est très exposé, il faut aussi montrer qu'on fait des choses pour le corriger il faut montrer qu'on essaie de sécuriser la ville pour que les citoyens se sentent en, en sécurité. Si on ne le fait pas, c'est évidemment grave. Euh, bon, il a dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, c'est bien. Moi, le gouverneur euh, ou les autorités de la ville de Jamais, de façon générale, je, je commencerai par leur dire il faut l'éclairage urbain, par exemple. Regardez la ville de Niamey, là où on a installé même les, les, lampes solaires aujourd'hui, euh, faites le tour voir. La plupart de ces lampes, ça ne marche pas. Euh, l'éclairage urbain fait partie des mesures qu'on prend pour sécuriser les quartiers. Parce que plus euh, vous êtes dans une zone moins éclairée, sombre, plus vous êtes exposé. Et donc, c'est aussi l'éclairage euh, l'éclairage contribue, par exemple, à sécuriser certains quartiers. Alors, il y a des mesures de ce type, quand même, que les autorités peuvent prendre, au-delà des mesures de police. À mon avis, s'il y a véritablement un regain, il faut aussi arriver à comprendre pourquoi ça arrive et prendre des mesures. C'est ce que je peux dire. Je pense euh, qu'il n'y a pas que l'éclairage. Quand vous prenez par exemple la route Niamey, là, quand vous prenez des quartiers comme Sounissi, lorsque la, route n'est pas aussi bonne, les, les, malfrats peuvent, intervenir. intervenir. Puisque tu ne peux pas euh, circuler euh, au-delà de 20 km/h ou 30 km. Donc, dès l'instant où les gens comprennent que cette, cette route-là n'est pas bonne, ils peuvent à tout moment être sur place, tant que tu, dès que tu t'arrêtes un peu, ils peuvent intervenir et ils peuvent arrêter euh, les gens. Donc, au-delà de l'éclairage urbain, je pense que même les routes contribuent à ce genre de choses. Alage euh, Mohamed Souleymane, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'insécurité de la capitale Niamey Je pense que ce que le gouverneur a dit, euh, on voudrait effectivement voir ça sur le terrain. Parce que quand il faut déplorer à certaines heures l'absence vraiment de tout de, de forces de sécurité, euh, souvent, par exemple, à des moments précis, par exemple, euh, il arrive souvent que euh, le plus souvent, tu vas voir ce que de la limite de peut-être deux heures à, vers la prière là, que les, gens vont opérer. C'est parce que simplement, ils réussissent quand ils viennent avec des armes. ils vont en fait faire la loi, les gens vont se cacher. Vous voyez, donc cela veut dire parce que dans certains quartiers, donc effectivement, ils opèrent comme ça. Euh, donc, euh, nous pensons que effectivement, s'il y a la présence de ces patrouilles, en tout cas de manière régulière, euh, ça pourrait dissuader, ça pourrait permettre en tout cas aux populations d'être rassurées. Donc, je pense que, franchement, c'est pas nouveau. On a connu des quartiers, par exemple, avant ce qu'on appelle le Rouba. Euh, vous voyez, il va falloir mettre le, la police sait comment effectivement ils ont pu à sécuriser ces, ces, ces, quartiers. Donc, je pense que c'est le moyen qu'il faut, qu'il faut mettre euh, pour que, euh, franchement, parce qu'il y a maintenant aussi, comme euh, disent les analystes aussi, il faut aussi attaquer euh, fondamentalement aussi les causes. Il y a aujourd'hui déjà des banditismes, même euh, où c'est des nationaux, c'est des Nigériens qui sont aujourd'hui le cas dont il parle, quelqu'un qui a été tué c'est ses, propres enfants qui ont commandité cette, ce, ce truc-là. Donc, quand effectivement les Nigériens commencent effectivement à euh, faire deal avec des malfrats. Et même, en fait, aujourd'hui, ils ont appris euh, donc à, à, faire cela. Les gens qui prennent les sacs des, bonnes dames dans les quartiers, ou bien tu vois ton téléphone, ils prennent ça, c'est des Nigériens. Donc, c'est dire que véritablement aussi, il va falloir faire un travail justement aussi, amener en tout cas des enquêtes euh, pour voir en fait aussi attaquer le mal à la racine. On le sait justement, les causes de ce phénomène, effectivement, souvent, euh, c'est les gens sont désœuvrés, ils sont là euh, toute la nuit en tout cas à veiller juste pour poser, euh, manger de bonnes choses, ils peuvent initier d'aller chez le voisin attaquer. Donc, bref, euh, il y a vraiment plusieurs paramètres, plusieurs dimensions, en tout cas, qu'il faut considérer le, le phénomène. On fait rapidement. je pense qu'on peut sécuriser la ville pourquoi Parce qu'on nous l'avait démontré lors du sommet de, l'Union africaine. Quand on peut eh, mobiliser 10 000, 11 000, voire 12 000 euh, forces de défense, et de sécurité pour, un sommet, ça veut dire qu'on peut mobiliser 50 eh, à 100 de la ville de Niamey chaque nuit pour puisqu'on parle de, des heures tardives pour sécuriser la capitale. Donc c'est une question de volonté. Le service des examens et concours de la région de Niamey a proclamé vendredi les résultats globaux du brevet d'études du premier cycle BEPC 2019. Sur les 35 606 candidats qui se sont présentés à l'examen, 8 179 sont admis et 1331 n'ont pas composé. Les explications du directeur des examens et concours du secondaire de la région de Niamey, Nare Salissou, et au micro de Habib cette année, nous avons dans la région de Niamey 33,52%. Et comparativement à l'année passée où on était à 37,44%. Nous avons au public 11 536 candidats et au privé 17 233. Dans cet ensemble, nous avons obtenu 2777 candidats du public admis, 4615 admis au privé. C'est vrai que cette année, on attendait un taux meilleur à cause de l'accalmie scolaire qu'il y a eu, mais il faut surtout voir ce qui s'est passé les années passées et aussi il y a un système qui a été déclenché pour assainir les établissements publics. La région est en train d'identifier les élèves recrutés parallèlement et de les extirper justement du système. Rufai Dandoua, quelle analyse ces chiffres suscitent en vous Vous savez, c'est simple. Hein. Lorsqu'on laisse, lorsqu'on délaisse euh, le système éducatif pourrir comme on l'a fait au Niger, je pense que c'est normal qu'on aboutisse ou qu'on arrive à ce genre de, de résultats. Euh, moi, j'ai tendance à dire que le, le sous-développement ou le manque de développement de nos pays. Ce n'est même pas dû au fait qu'on, euh, par exemple, au franc CFA ou par exemple à la présence des, des bases militaires ou quelque chose comme ça. Non, c'est parce qu'on ne priorise pas les secteurs qu'on doit prioriser. Lorsque vous prenez, par exemple, comparaison n'est pas raison, bien sûr, lorsque vous prenez la France, quand on fait le, baccalauréat, c'est 88 à 90% de taux de, réussite. Lorsqu'on fait le brevet, c'est près, près, de 100%. Pourquoi Il faut se poser les questions. C'est parce que quelque part, on veut faire en sorte que la jeunesse soit une jeunesse bien éduquée. Et c'est ça le problème de la jeunesse nigérienne. Déjà, il l'a dit, c'est peut-être euh, un aspect de ce qui, de qui explique les raisons de, ce, de ce taux très bas, c'est que les années antérieures ont été gâchées. L'année passée, il y avait pratiquement eu, cours, les gens avaient passé. Aujourd'hui, c'est les gens, les élèves qui étaient en quatrième qui ont, qui, avaient passé de la quatrième à la troisième, c'est eux qui ont fait le, BEPC par exemple. C'est normal parce qu'ils n'ont n'ont pas le niveau. Et c'est la même façon, ceux qui, sont, euh, qui étaient en cinquième l'année passée, euh, euh, cette année en quatrième, l'année prochaine en troisième, c'est eux qui vont composer ou concourir pour prétendre au BEPC. Et on va voir encore, sauf si j'ai appris que. Vous faites allusion à la baisse de oui, J'ai appris que les gens avec même combien 7 de moyenne, on les avait repêchés. Mais malgré tout cela, on a 33% de taux d'admission. À Niamey À Niamey. Et, ça, c'est à Niamey, où on pense que les gens étudient plus qu'à l'intérieur du pays. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur du pays. J'ai vu au bac, je crois, c'est à Douti ou sur. Euh, ça, c'est sur les Facebook, hein, c'est pas, pas sur Facebook bon, en tout cas, si ça, si ça se vérifie sur euh, près de 300, il y a zéro à, l'écrit, 2 à l'oral, c'est inquiétant. Mais j'ai l'impression que ça n'inquiète pas les gens. Les gens pensent que c'est normal qu'on ait 20% de, de, taux d'admission, 30% et qu'on a évolué. Si on évolue de 1% ou de quelques 0, quelques on pense qu'on a évolué. Non, je pense que c'est ça le danger. Il faut qu'on priorise l'éducation. Il faut qu'on se dise que lorsqu'on fait un, examen de bac ou un examen de, de, de BEPC, on, on atteint minimum 50 à 60 d'admission. Là, on va se dire que les autorités ont, pris à bras le corps le problème de l'éducation et on a besoin que les que l'enfant du peuple ou les enfants du peuple soient une priorité et qu'ils doivent réussir. Mais moi, je pense que ce n'est pas étonnant et peut-être que l'année prochaine, ça va même être pire. Alaj Mohamed Souleyman, le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB dénoncé mardi à Niamey la révocation de plusieurs enseignants contractuels disposant du numéro matricule. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire, Achan Hima, précise que tous les matricules sans note de prise de service ne sont pas valides. Comment comprendre ce titre de fait Mm, bon, c'est un problème administratif. Euh, je pense que ça doit se régler administrativement. Euh, il y a des critères euh, qu'ils connaissent. Euh, maintenant, tout ce que je sais, peut-être que c'était un contentieux entre ce ministère et les contractuels. Il y a comme qui dirait des règlements de comptes entre eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la situation de l'école nigérienne. Les résultats cette année, tant au bac BPC, sont catastrophiques euh, et c'est cela vraiment qui nous intéresse. Hein. Et ailleurs, hein, franchement, quand il y a une débâcle, en tout cas, euh, quand ça ne va pas, en tout cas, au niveau des. des des le résultat est catastrophique. Euh, on a tendance à effectivement mettre en cause tout le monde, euh, parce que même les formateurs, de ce point de vue, je veux dire que les enseignants, parce qu'ailleurs, on les évalue, tout le monde est évalué. oui, mais aussi, on, Niger, on euh, les a Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire qu'il va falloir se dire que, bon, on a constaté ça, on en parle, la baisse de niveau partout, mais aussi, en réalité, le mal de l'école nigérienne remonte à un certain nombre de, de trucs. D'abord, par le dictat c'est un moment des barres de fond qui ont essayé de dire que voilà, nous, on, on ne peut pas nous laisser souverainement gérer, c'est pas seulement en Afrique de façon générale. Euh, on connaît effectivement toutes ces mesures-là qui ont été contestées par les forces euh, euh, donc vives <laughs> de, la nation, comme on, dit. mais bon, finalement, tout ce résultat aujourd'hui, c'est cela. À un moment, on faisait aux gens le double flux, on passait, vous voyez quoi, il y a beaucoup de, de, de, de, choses, en fait, en fait qu'on n'avait pas la maîtrise euh, de, l'école, on a vraiment tâtonné, et tout cela aujourd'hui, ça, donne ce cocktail Molotov où, euh, franchement, euh, on n'a pas besoin de, spéculer là-dessus. Il y a que l'école, en tout cas, la, sa descente aux enfers, c'est une, une, réalité. donc, il faut se remettre en cause. Si tant est que les autorités, les plus hautes autorités, en tout cas, l'école, c'est vraiment l'ascenseur euh, social, on se rend compte que, franchement, cet ascenseur social-là, en tout cas, il est malade. Donc, il va falloir véritablement euh, s'en occuper. Parce que, et vous avez vu, même quand on a voulu que l'école privée soit une alternative, là encore, euh, la situation, la, la corruption, euh, en fait, beaucoup de pratiques, en tout cas, beaucoup de mauvaises pratiques en fait en sorte en réalité, même le privé euh, n'est pas crédible, en tout cas. Euh, n'est pas épargné par Donc, véritablement, je pense que l'école publique, l'école publique, c'est là effectivement qu'il va falloir véritablement chercher à trouver des solutions pour qu'on puisse euh, permettre en tout cas à la jeunesse. Parce qu'effectivement, nous venons de parler de la question de, de, la, sécurité. Tout cela aussi, ça a un rapport. Quand les jeunes n'ont pas, euh, ceux qui ont réussi en tout cas à avoir de bonnes études, à être diplômés, ils peuvent euh, compétir en tout cas pour s'insérer. Mais ceux-là qui n'ont pas, et c'est la majorité justement, qui sont là, ils n'ont pas été formés à l'école, et bon, vous voyez, en fait, je veux dire que c'est une bombe, en tout cas, et il va falloir vraiment qu'on s'en occupe, parce qu'il faut le reconnaître, euh, les secteurs comme l'éducation, comme la santé, on regarde au niveau du budget national pour savoir vraiment quel intérêt on porte à ces secteurs c'est vrai, aujourd'hui, l'autorité actuelle, on a tendance à dire que, en tout cas, l'insécurité, en, en, tout cas, grève notre, notre budget. Mais, véritablement, je pense quand on regarde les allocations à ces secteurs là il y a des raisons de s'inquiéter parce que simplement, on pense que euh, ce n'est vraiment pas euh, de nature, en tout cas, à atteindre les ODD, en tout cas l'objectif du développement durable. Euh, franchement. Hassan Boukara, la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire compte boycotter les épreuves du second groupe du baccalauréat session 2019 prévue euh, les, 20, et 21 juillet sur l'ensemble du Niger. Elle dénonce la décision du président du service du baccalauréat tendant à réduire de moitié le nombre de correcteurs juste avant le second groupe. Euh, ce mécontentement des correcteurs vous paraît justifié, Hassan Boukar Je ne sais pas si c'est justifié ou non. Je me pose, euh, <clears throat> je me pose vraiment la, la, question. Hein, parce que, bon, j'imagine que pour le gouvernement, c'est un enjeu financier. C'est-à-dire, euh, quand vous réduisez les nombres de correcteurs, vous payez moins. Alors, il le fait dans un contexte où apparemment il a du mal à régler déjà les arriérés, puisque j'ai cru comprendre au vu des déclarations que j'ai entendues à la veille des examens de baccalauréat, qui avaient déjà des primes des sessions passées qui n'ont pas été payées. Et donc la solution pour le gouvernement, c'est de réduire... Euh, des moitiés Voilà, des moitiés de correcteurs. Peut-être qu'un jour, on va réduire les, les nombres de matières, comme ça, <laughs> il y aura plus, euh, peu de temps et puis euh, peu d'argent à dépenser. Mais le plus grave, à mon avis, c'est vraiment la situation de l'école, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Moi, euh, j'aurais applaudi si les enseignants disent 30%, 33%, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Ce serait bien que les parents disent, euh, écoutez, cette école-là, sur trois élèves, il y a un qui admet, ce n'est pas bon, il faut arrêter euh, cette descente aux enfers. Que le gouvernement se sente coupable, au moins qu'il essaie de justifier en disant, écoutez, les résultats sont mauvais, mais voilà la cause, etc. Mais comme Rofaï l'a dit, euh, c'est assez facile, on dit, bon, c'est la baisse des niveaux. Comme si la baisse des niveaux, les enfants naissent avec la baisse des niveaux, quoi. C'est comme si ce n'est pas le résultat d'un système qu'on a fabriqué. C'est vrai que les racines sont lointaines, euh, ce n'est pas la faute d'un seul régime, mais euh, la question fondamentale dit, mais quand est-ce qu'on arrête cette descente aux enfers Quand est-ce qu'on l'arrête est-ce qu'on va continuer à faire des années en disant que euh, les enseignants sont de mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas la pédagogie, ils n'ont pas le niveau, etc., etc. Mais alors, cette descente aux enfers, quand ça va s'arrêter Moi, j'interpelle en particulier les parents d'élèves. Franchement, ils ont été souvent absents dans le débat de l'école. Ils ont toujours considéré que le problème de l'école, c'est un problème entre enseignants et gouvernement c'est de l'avenir de leurs enfants qu'il s'agit. À mon avis, les parents d'élèves, ils doivent être capables aujourd'hui de poser véritablement la question de l'avenir de leurs enfants et à travers leurs enfants l'avenir de ce pays. Ça, on n'entend pas ça. Et donc, pour moi, aujourd'hui, euh, les enseignants doivent aussi être capables de parler d'autres choses que des salaires. Moi, je comprends très bien. Si le salaire n'est pas payé, c'est votre survie qui est menacée. Euh, en particulier les contractuels qui n'ont pas de salaire, on leur donne quelques euh, quelques, pièces à la fin du mois, et même ça, il faut accumuler deux, trois mois, ça devient une question de survie. Je comprends bien, mais les enseignants, les syndicats, moi, je comprendrais bien que les syndicats aillent en grève en disant au gouvernement, si vous ne prenez pas des mesures qui, à terme, devaient arrêter cette descente aux enfers de l'école, on ne reprend plus le coup. Moi, j'aurais compris ça. Donc, il faut bien que ce soit le souci pour tout le monde toujours les frais de correction. Alors, bon, il y, a, les frais de correction, mhm. c'est important. Mais il faut aussi être capable de mhm. poser véritablement la... Mhm. question. Sans école, il n'y aura pas d'enseignant le contraire est peut-être valable aussi. Mais à mon avis, franchement, la question de l'école aujourd'hui, euh, je peux comprendre les questions corporatistes. Hein, les gens peuvent poser la raison d'être d'un syndicat, c'est la défense des intérêts de ses membres, etc. Mais franchement, aujourd'hui, la question de l'école, les enseignants, les parents, tout le monde doit se sentir concerné. On doit pouvoir poser ce débat-là aujourd'hui. Mais euh, cette école-là, il faut arrêter. Ça dit que personne n'est satisfait, personne n'est content. Et donc, tout le monde dit c'est la baisse des niveaux. Alors, les pauvres élèves qui ont du mal à juger ce que c'est que le niveau, on dit c'est leur faute, c'est la baisse des niveaux. Ce n'est pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute du gouvernement qui doit créer les conditions. Et donc, tout le monde dit c'est la faute des. Alors, on, va tomber peut-être à 30%, à 20%, <laughs> comme, l'a dit Rufai. Mais franchement, pour moi, il faut que. Et, c'est peut-être les les, les, les, les parents qui peuvent, à mon avis, vraiment réagir. Les parents ont été absents. Ils ont agi comme si les élèves, ce n'étaient pas leurs enfants. Franchement, il faut. En, ah, parlant, des parents. On va aborder l'espoir. juste rapidement, je ne sais pas eh, à qui a fait allusion aux parents, au, bureau des parents d'élèves. Pas les bureau. Voilà, les parents, biologiques. Parce que, voilà, parce que euh, justement, là, parce que les parents pensent qu'en enlevant leurs enfants de l'école publique pour les amener à l'école eh, privée, en leur prenant des répétiteurs à la maison, ils pensent avoir solutionné le problème. Et on ne suit... pour la Voilà, justement, et on, ne, suit pas l'éducation de l'enfant. Or, or le problème, c'est que c'est c'est au bureau des parents de d'élèves de prendre euh, tout ça en charge pour essayer de convoquer, ne serait-ce que les autres parents d'élèves. Malheureusement, le bureau est politisé aussi et ils sont toujours divisés. La finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte oppose aujourd'hui les Fenech d'Algérie aux Lions de la Teranga du Sénégal. Mais avant, les Aigles du, Nigeria se sont classés troisième en battant les Aigles euh, du Carthage euh, de la Tunisie par un but à zéro. Euh, rapidement. Pour l'affiche de ce soir, les Lions de la Teranga vont jouer sans leur défenseur central Khalidou Kouloubali face à des Algériens plus que jamais déterminés à remporter Dame Coupe. À quoi doit-on s'attendre Oui, à, un match euh, entre deux adversaires qui se connaissent déjà. Il faut se rappeler qu'ils ont joué euh, en poule. L'Algérie a gagné 1-0. L'Algérie aussi qui sera privée d'une de, de ses pièces maîtresses, qui est Atal, qui a il a vu son, son bras ou sa clavicule cassée. Donc, euh, ça va être un très beau match, un match ouvert entre deux entraîneurs aussi qui se connaissent, qui, ont, qui sont nés dans une même ville, qui ont grandi ensemble, qui ont joué dans le même club et, qui sont. C'est incroyable. Ils ont un jour de différence entre eux et ils ont grandi dans la, dans la même ville en France. Mais je pense que ça va être un, très beau match entre les deux meilleures équipes de, de la compétition. Pour moi, l'Algérie a joué le plus beau football de la compétition, mais sur le papier, le Sénégal est favori. Donc, vous voyez comment le match va être euh, très disputé. Mais l'un dans l'autre, je pense que la logique a été respectée. Les deux qui sont en finale. On avait vu peut-être l'Égypte, le Maroc à un moment, mais le Sénégal, même quand ils étaient venus, ils étaient le super favori de la compétition. Ça veut dire qu'ils ont essayé à maintenir leur rang pour être en finale. Maintenant, et ce n'est pas tout de venir en finale, il faut la gagner. L'Algérie, au fil de la compétition, n'était pas favori de, pour gagner le titre, mais à travers des matchs qu'ils ont joués, ils ont montré qu'ils sont le favori sur le terrain le favori numéro un. Donc c'est un duel entre les deux meilleures équipes de la compétition. C'est pour ça que je dis que ça va être un match euh, très disputé et peut-être une finale qui sera ouverte. Rufai Dandoua, parlons de l'arbitrage euh, des derniers matchs. Était-il sans reproche et comment peut-il être, à votre avis, ce soir et il y a déjà des inquiétudes puisque l'arbitre qui devait siffler la finale de ce soir, le Sud-Africain, censé être l'arbitre le plus incorruptible du continent, a, été écarté. à la dernière minute. Aujourd'hui, c'est le, Camerounais et, qui va arbitrer ce match. Donc déjà, tout ce qu'il va faire, toutes les fautes ou toutes les actions qu'il va siffler seront épiées par les observateurs pour voir s'il a arbitré en faveur de telle ou telle personne. Et surtout aussi que, rappelez-vous de cette action eh, sénégalaise lorsque l'arbitre a donné un penalty pour la Tunisie, près de 5 minutes après, il est revenu pour dire qu'il n'y a pas de penalty et les gens avaient crié au complot. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, l'arbitrage sera épié. Moi, j'ai toujours dit que l'arbitrage euh, africain est un peu à l'image du football et africain, est en train de, de, régresser de nouveau. mais on espère, on espère que l'arbitre de ce soir va, va arbitrer un beau match et qu'on aura eh, eh, eh, un match où l'arbitre ne sera pas la star de la, de la finale. Hassan Boukar, quels sont les enjeux de cette finale pour les Sénégalais et les Algériens je pense que euh, ces deux équipes euh, sont restées longtemps loin de la coupe, sont maintenant en finale et chacune d'entre elles s'est dit c'est possible aujourd'hui, ils peuvent euh, partir, repartir chez eux avec, avec la coupe. Euh, comme Rafael l'a dit, pour moi, ça va être euh, une belle finale de, Coupe d'Afrique. Euh, les Algériens ont montré qu'ils sont quand même une équipe très solide hein, pendant toute la compétition. Voilà, ils ont fait un parcours sans faute. La question que je me pose, c'est quelle est la capacité aujourd'hui du, Sénégal quelle est la capacité de, leur entraîneur, surtout à montrer qu'il est aussi stratège. Les deux, entraîneurs sur le coup, oui, c'est Ces entraîneurs locaux, euh, euh, c'est peut-être quelque chose de bien pour les jeunes Africains qui rêvent d'entraîner des équipes nationales jusqu'à c'est au niveau des compétitions, hein, puisque d'habitude on part chercher des entraîneurs ailleurs, de la même façon qu'on cherche les experts sur les finances ou l'économie ailleurs, en football aussi on les cherche ailleurs. Peut-être que c'est une bonne chose que deux entraîneurs locaux aient en finale, mais encore une fois, moi je, je, je, me demande, euh, ce serait pour moi peut-être l'enjeu, euh, quelle est la capacité au lieu de l'entraîneur du Sénégal à à, développer une véritable stratégie, à prendre l'Algérie, même si les gens disent ils sont favoris. Je me dis qu'il y a véritablement aujourd'hui, ça va se jouer dans la stratégie pour ces deux, pour ces deux équipes. Le, plus stratège, je pense que le, c'est l'entraîneur le plus stratège qui va remporter la Coupe, à mon avis. Pronostic Peut-être l'Algérie. <laughs> pronostic, ce, ne serait pas, ce ne serait pas euh, un hold-up si l'Algérie gagne, pourquoi Parce que l'Algérie a été la meilleure équipe de, du tournoi. Le Sénégal, avec euh, la star de la compétition, qui Sadio Mané, s'il gagne, avec Kalulu, euh, ne euh, va, pas jouer. S'il gagne, l'un dans l'autre, tout celui qui gagne et Ce serait mérité. Ce serait mérité. Mais, moi, mais moi, je suis un adepte du beau jeu. Je veux que l'Algérie gagne. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar, journaliste à la radio radio alternative. Alhaj Mohamed Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et 18h15 minutes avec Hawa Ousmane pour le forum en Hausa et dimanche avec Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.